Bonjour tous à la FADA, je suis ravie de vous retrouver, amis jeunes. Vendredi 24 janvier, c'était la journée internationale de l'éducation. Et c'est pourquoi à FADA, Moutayo, Mukaga, ya a wani faruwa. Yau muna sai Kano, ko ba de nan bane? Donc voilà, to mun gode muku da ok merci beaucoup pour votre accueil nous sommes euh, aujourd'hui ici avec euh, les jeunes euh, de NEJ ils représentent les jeunes et les enfants au Niger oui c'est le cadre consultatif nigérien nigérien des enfants, et, des, jeunes avec le bouleversement sécuritaire que connaît notre pays notamment dans certaines zones comme Mizantian Difa Tilaberi nous voudrions bien savoir comment ça se passe l'éducation là-bas surtout quand on sait il y a même des écoles, de centaines d'écoles qui sont fermées. Comment faire pour aider ces enfants Comment faire pour les accompagner dans ce numéro, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Réaction des parents d'élèves, Nama Soukoula, Ilmi, Ananja Hartilaberi. Nous aurons la chronique de la FADA. Olivier, aujourd'hui, on parle de quoi Aujourd'hui, on va parler des femmes, l'entreprise et le droit. C'est un rapport publié par la Banque mondiale le 14 janvier. J'ai lu et j'ai fait un petit résumé juste pour vous. Et bien sûr, de la musique dans cette FADA a wannan fadar muna tare da Monsieur Shaibu Usman, il est professeur au CESCOR Kano. Monsieur Cheibou. Oui. Bonjour. Ina kwana. Lahiya lau. Ibrahim Maman. en classe de seconde. C'est Ibrahim, ça va? Super. Nous sommes avec les jeunes du CCNEJ. E <laughs> ça va Firdausi? Firdaus Tanimoun. Maimouna Adamou de la même structure. Dans un communiqué de presse lu dans le Sahel dimanche, en 2019, au Niger, sakamakon wannan tashin hankalin mutun ɗari da hamsin aka 80 000 personnes déplacées, 80 000 personnes sont bar garinsu sun bar gidajensu. Makarantu kuma dubu uku da biyar aka liƙe sabilin tashin hankalin. Entre avril 2017 et juin 2019, au Niger, burkina faso mais également au mali zancen da muke muku yau shukan kuma suna shirin tahiya yajin aiki haka ne ko mushe eh to matsaloli akwai su diya gaskiya dans le département de walam région de tilaberi a biki a aikin mu adama dawaki ta hira da wani uban ɗan makaranta il exprime ici son désarroi face à cette situation donc on va l'écouter les écoles sont fermées. Rien qu'à Mangaise, l'inspecteur nous a signalé la fermeture de 10 écoles dans le département. Il y a aussi des endroits, surtout dans le nord, où les enseignants vont à contre et ce n'est pas pour y rester. Cela nous préoccupe. Vous, en tant que parents d'élèves, qu'est-ce que vous préconisez pour que ces enfants puissent aller à l'école nous pensons qu'il faut former les enseignants sur le système du double flux. Il m'a été rapporté qu'un enseignant a abandonné 37 élèves dans une école parce qu'il a été affecté sans être remplacé. Si ces enfants ne sont pas amenés dans une autre école, ils vont sûrement perdre l'année scolaire. Donc il faut sensibiliser les parents pour qu'ils acceptent qu'on ramène provisoirement les élèves de ces écoles fermées dans les écoles des villages proches et appuyer l'État pour mettre une cantine sèche à leur disposition. Par exemple, si les filles inscrites dans ces écoles font deux ans sans étudier. Les parents vont sûrement les marier et ce sera du gâchis. Donc, d'abord, monsieur, on va vous donner la parole. Ensuite, aux jeunes. On vous écoute. Euh, bon, tout d'abord, je pense que ce thème, c'est un thème qui est d'actualité. C'est un thème euh, très pertinent parce que ça parle de la, scolarité, de la scolarisation des enfants. Mhm. Au niveau de l'école, quand même, il faut savoir que l'école, quand même, c'est un droit constitutionnel donc l'État a l'obligation morale de garantir l'éducation à tous les citoyens. Je pense qu'elle doit créer les conditions quand même pour un retour vraiment à la normalisation de, de la scolarisation dans ces écoles-là. to double flux quand même c'est je pense que c'est une alternative double flux, din Eh, alternative ne ake son a samu don saboda a yi palier wanga matsalar da adda kwai hmm. je pense que donc solution dai ne mais est ce que yana isa pour que a samu yaran nan yanda wa'anga kullum suke zuwa école est ce que to a cikin shekarar nan suna iya ganin program inda da ya kamata a yi a yi execute eh suna iya samun duka program kin mm, no hmm. to yanzu bari dawo gare ki firdausi Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler. Bon, pour ce que j'en ai à dire, le programme du double flux, s'il pourrait être appliqué, ça serait beaucoup plus important et bénéfique pour ces enfants pour pouvoir mieux aller à l'école et suivre le programme de l'année. Oui. Non, ne pas seulement dire le programme du double flux, mais aussi l'appliquer, parce que c'est le plus important. Mhm. Dire le programme, le parler, c'est bien, mais l'appliquer, c'est encore beaucoup mieux. Si c'est parents, l'État doit allouer des fonds et mettre en confiance ses parents pour qu'ils puissent laisser ses enfants aller dans d'autres villages où les écoles n'ont pas été fermées pour qu'ils puissent suivre le programme normalement. Car oui, si les enfants ont la chance de pouvoir quitter leur village et aller dans d'autres villages et aussi que ses parents soient rassurés. yar matasan nan a neman musu wuri hakan ga espasir abin ga kamar santar de formation hakan ga mm. a kai su cikin wani santar de formation ko a neman musu wuri an kada irin wannan insecurity in ya isko su mm. kawai a ce suna samun abun ga wani kamar ke furtuwa kenan wani eh, wani wuri ne wani siti ya kamata a bude musu wani santar ya kamata a gyara musu dan. yawa a gyara musu wani santar an kada irin wannan abun ga problem kin mm. su rinka taya can suna abun ga to da ne l'unesco a célébré le rôle de l'éducation cikin samun kwanciyar hankali da cigaban al'umma to ku gaya mana où situez-vous le niger cikin wannan tamikin éducation pour la paix éducation pour le développement je, je passe je reviens vers vous monsieur Cheibou où situez-vous le niger d'accord moi je pense que on se retrouve dans ça là même yanda ko kwatamta ne émission eh Niger kowa ya sani da yau cikin halin da muke ciki. Don akwai jahohi da dama mhm. kamar yadda ku kwatanta jihar Tilaberi akwai insécurité. Mm. Jihar Tawa in certain partie nord Tawa frontière Mali akwai insécurité. Wajen Difa akwai insecurity kuma yara dububuwa ne suna da yawa wanda ba su zuwa ekol Kene yanzu zancen a samu ma da education su samu masu ta hima ma kenan wannan zancen bai mata so eh, gare mu samu je su tafi ma ekwal ne na shine ya kamata <laughs> to ka in dawo ga wa'annan wanda suke tare da mu bari in ba da mikro wa yake so ya magana bisa kan ga temkin na seta ne to yanzu ga mun ka kai shafiu musa to shafiu kai me zaka ci bisa kan wannan to gaskiya bisa kan abin da dai zan ƙara ciya bisa kan abubuwan da mutane sun kace gaskiya yau yau denojur gaskiya nijar tana cikin mawayacin hali wanda ya kamata a dibe shi mm. bisa kan bangarorin jahohi guda guda uku kuku nan ma za a ciya wanda an karihe an ka liƙe musu kalasoshi kuwa mm. kenan ya kamata a ce a samu condition a yi kreye condition wanda za a samu elebe su ci gaba buskan karatun surtu ma lai kandida kenan in ana karatu wani bangare wani waje ba a yi in an ka tashi kawo wani cj a kenan ba za a dibin nan ana yi ba nan ba eh, to bari da firdausi À travers l'UNESCO, l'État nigérien a pris des engagements pour que l'éducation de qualité et inclusive soit à la portée de tous les enfants nigériens. Cependant, beaucoup de choses restent à faire, mais à travers ces programmes d'élaboration de stratégie, nous pouvons arriver à espérer que une éducation de qualité inclusive soit possible ici au Niger to an fa appeler à nos auditeurs qu'on a kuna qu'on a ga mun nan anan c'est square Kano tare da matasan en makarantar c'est square Kano da mushushukan su da nccnej to itare wannan fara dai kuna iya aika mana ra'ayinku bisa kan wannan shirye-shirye namu a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80688854 yanzu kan mu wannan fara mun mai ta ma shakata za mu ƙara koma a music cette fois-ci on va écouter Ilimi de M Sherif. Retour à la fada avec nos invités Ibrahim qui est euh, en seconde C, Monsieur Chaibou, professeur de PC, Kafirda aussi du CCNEJ. Nous sommes avec Memouna également. Comment faire pour apporter un peu de réconfort à ces élèves qui ne peuvent même plus aller à l'école maintenant Toi Yanzou, à quels sont les défis actuels À quoi on doit s'attaquer Ça va mal de partout, Monsieur Chaibou. sai kwa l'urgence mine ne kamata a fara yi yanzu to abin da dai kamata a fara yi gaskiya kamar yadda na ce muku a samu a gani yadda za a yi yaran nan wanda ecole dai aka liƙe musu sosai a samu yaran nan su komo wajen karatu din nan mm. shi dai ne ya kamata kenan ita ta gani yadda zai kamata ta yi tunda yaran nan suna da yawa mm. suna da yawa sosai kenan su duba su gani gaskiya su samu yaran nan su komo la solution ici c'est l'État. il faut que l'État arrive à mettre des dispositions qui vont permettre à ces élèves qui sont dans des euh, villages d'insécurité d'avoir euh, une éducation meilleure et leur euh, donner la chance aussi d'aller à l'école comme vous. La chance d'aller à l'école comme nous. Malgré que même nous, ici, ça ne va pas. Hein. <laughs> ah ouais Oui, ça ne va pas. Donc au moins, eux qu'ils puissent aller à l'école déjà. Même si ça ne va pas, même s'il n'y a pas de matériel. voilà. Asa ça, on hmm. Voilà. Fedros Kenji, Abunda Ibrahim Yachi ya je ne dirais pas que toutes ces responsabilités doivent être uniquement prises par l'État hmm. parce que l'éducation d'un enfant concerne ses parents toutes les personnes qui sont proches de cet enfant doivent faire en sorte que cet enfant puisse être éduqué dans un environnement sain. Pourquoi les parents ont quitté les villages, ils ont quitté... Euh, oui. Ils ne peuvent même plus aller à l'école. On fait comment alors J'ai une proposition à faire. D'accord. Pourquoi ne pas faire revenir le système de tutorat Ok. C'est-à-dire faire déplacer ces enfants dans d'autres camps de, zones de sécurité mhm. pour pouvoir pour qu'ils puissent continuer leur cycle normalement. Parce que nous avons des enfants qui sont en classe d'examen. Pour un enfant qui est en classe d'examen qui perd un mois ou deux mois du programme. Ou trois finalement. Voilà, c'est qu'il est très en retard et qu'il aura un problème quand la date de l'examen se rapproche. Maintenant, pour ce système de tutorat, ce n'est pas seulement à l'État d'allouer des fonds pour que le déplacement et le logement et la prise en charge mm. de cet enfant soit prise une fois qu'il sera dans une autre zone de sécurité. Les parents aussi doivent avoir leur rôle kin abin da firdaus ta ce ta ce uwaye suna iya e kakamawa su ma su yi ma ɗiyan su kireyen kadir wurin da za su zuwa su yi karatu ko da ba a gina musu wani wuri su samu an da za su yi dai su dai uwaye nan su san dai ɗiyan su na nan karatu in ya so mu shan an ta an yi moshi to ya ta karshe ya ta ga wani magana mm, tana da gaskiya tun da yanzu uwaye su ma su ma suna cikin abin ga suna ya kamata su yi contribute ga tarbiyyar ɗiyansu mm. su ma suna da abun ga tunda ya kamata a ce su bar yau na bisa kansu hmm? tunda ya kamata a ce su bar diyansu su tafi su yi karatu wasu iyayen su ne make hana diyansu zuwa karatu aha akwai wanda ke so magana to artana mu sunanka shafiu musa shafiu to ina jin ka to gaskiya bisa kan wanga abu da ta yi an resume zan bada ya kamata a ce lalle ita ce ya kamata ta ɗauki mataki bisa kan duka wannan abin da yake shahuwa ilai hmm. kenan bai kamata a ce ba yanzu in wasu sun ka izo yarensu hmm. garuruwan da ba sani ba kenan sai an koma neman inda za su zama da sauransu kenan wannan abu shi kaɗai ya isa matsala hmm. kenan eta ne ya kamata ya ɗauki mataki bisa kan da wuraren da za su zawa sai karatu da nauyin su da komi shine adada ya zo ya ɗauki nauyin hmm, wannan ba su iyayen ɗiyan ba da yawa ma wasu ba su da halin ɗaukar wannan abin ga nauyi su dauki su su yi constriction et autres nakala kala susuwa justement parlant de l'état mm. face à cette situation les autorités du pays ont pensé à des mesures tun a cikin garuruwan ba da aka liƙe wasu makarantu. directeur régional de l'enseignement primaire Najahart Tilaberi zai ba au micro de Nafisa Sirfo à Inates, à Yoru, à Abala et même dans Tilabiriville, Nous avons créé des centres de regroupement qui reçoivent les enfants. Et tout récemment, une mission s'est transportée à Toro et Abala Et des auditions d'urgence sont en train d'être prises avec nos partenaires, notamment CAD, à travers le HCR, pour que ces enfants-là reprennent le chemin de l'école. Les cours ont commencé et avec la reprise, là, je crois que tous ces élèves-là sont en train d'aller à l'école. Le seul problème qui se pose, c'est la prise en charge de ces élèves, puisqu'il faut les transporter vers d'autres cieux. Créer des centres de regroupement, ce n'est pas si facile, mais avec les moyens modestes que la région dispose et avec la volonté de certains partenaires, comme je l'ai évoqué, euh, nous sommes en train de nous battre pour que ces enfants retrouvent leur droit à l'éducation. Cette insécurité a créé la psychose chez les familles et dès que la situation sera rétablie, j'avoue que ces écoles-là seront ouvertes. Elles sont déjà, puisque les élèves sont pris en charge. C'est seulement un transfert de site du lieu du village vers le centre de regroupement soutien à ces élèves qui ne peuvent plus aller à l'école, nous pouvons faire en sorte de mener des messages de plaidoyer. C'est-à-dire des messages de plaidoyer à l'État. Nous voulons à ce que l'État fasse en sorte que la population ait des sources sûres qui, qui les informent de la situation. Pour ne pas que quoi, du n'importe quoi qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez déjà commencé des, choses, des actions, des trucs. Oui, on peut, on a des plateformes, des messages qu'on véhicule à travers les groupes WhatsApp, les statuts, les, les Facebook, les réseaux sociaux. Monsieur Cheibou, vous avez écouté Firdaus. A fait ku wannan de da suke ta isa tana isa. To, an tuka dai kamar yadda ta de kwa. Washajen da rezo sosiyon nan wadda kuke zancewa ga birni ne ake gan shi. su an can wanda suke can hawa ison ba su da komi ba su da labari dai hakan ga wanda na zamani dai wanga dai bai kai musu hakan ga mm. sai dai in an tai wajen su a gaya musu mm. amma wanga da zo su siyo gaskiya su su bu san shi ba can wajajen mm. to kamar yadda director regional na tilaberi ya gayi mm-hmm. suna nan ga yin kokari su yi kiran santin na regroupement inda za su samu yara su samu a kawo su su rika zauwa suna ɗauka karatu to wannan ni gaskiya a gani na abu ne wanda yake yana da yana mahimmanci sosai abu ne wanda ya kamata a ce dama an yi shi mm. amma kamar yadda ya kutamta matsala wadda adda kwai prison and charge din su wannan wa zai ɗoki yaunin yaran nan in sun zo su yi karatu mm-hmm. gwamnati za ta ɗoki yaunin su ko ko uwayensu da yake suka bar su can su za su ɗoki yaunin su kenan wannan ya kamata a ce abin nan kamar yadda ya gayi ya su kwatanta ma uwayen yaran nan kenan in aka kawo su wajen inda za a koya musu karatun nan gwamnati ce za ta ɗauki yauninsu gwamnati za ta ɗauki yauninsu cinsu da shansu da abubuwan su wanda ya kamata dai hmm. gwamnati za ta ɗauki yauninsu eh, duka gwamnati da ya kamata ce ta ɗauki yauninsu ibrahim kana ramni zaka ƙara bisa wannan zancen To abin da zan kara bai wuce ba wannan yara aka tara na ji ana ba su karatu suna samun karatu wanda ya kamata. Me harkar education ha kin ga an an ba ku an ida ba ku karatu lalle dole ne za ku tayi ku na kwana kenan kin ga wannan education ta uwaye kin ga an samu ragi nan. Hmm. Kin ga ko kenan wanga shi ma wani fact ne mana. Hmm. To yanzu mun gode muku zan mu kara kuma mu shakata. On parle des enfants, nous allons rappeler à quel point les enfants sont le monde. C'est pour ça qu'on va écouter We Are the World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and true, you know, love. émissions. Vous pouvez réagir euh, sur cette émission en envoyant vos réactions <laughs> au 80 06 54. Nous sommes ici au CES Cano avec euh, les élèves du CES Cano. Vous êtes là oui. Nous sommes avec leur professeur, Monsieur Chaibou, professeur de PC. Applaudissez pour lui. Ouais, Chaibou avec Shafiou, avec Ibrahim. Nous sommes avec les jeunes du CCNEJ. Applaudissez pour eux. Passons à la dernière question de cette FADA. Les objectifs de l'UNESCO, notamment garantir une éducation inclusive et équitable pour tous à l'horizon 2030. Chine, ODD 4 euh, on peut espérer ça au Niger yaya <laughs> Oui, l'ODD4, c'est-à-dire l'objectif de développement durable mhm. qui a été adopté par le Niger. On peut espérer que l'ODD soit, comment dirais-je, appliqué ici au Niger avec ah l'aide de l'État et des partenaires. Ok. C'est-à-dire, les partenaires sont ceux qui vont dans les zones les plus reculées du pays. Mm. Donc, en allant vers ces populations, ils... on l'écoute, on l'écoute. Mhm. Il propose des programmes innovants à ces populations, c'est-à-dire le programme de l'éducation et les parcelles éducatives et l'éducation accélérée pour ces enfants. Et aussi la participation des jeunes. Aujourd'hui au Niger, nous avons la chance d'avoir une population jeune. Nous lançons un appel à ces jeunes pour qu'ils puissent intégrer des groupes et des associations pour que, à travers leurs aides, que chacun apporte son aide d'ici 2030 l'éducation de qualité et inclusive soit adoptée au Niger. Ok. Monsieur Cheibou, vous avez écouté Firda aussi. Elle que l'ODD 4 là, éducation pour tous d'ici 2030 là, c'est possible. Mouche, eh, on abu gaskiya abu ne wanda To, objectif de ne fixé 2030. To, abu ne y yake yana da hmm. wahalar yi. Saboda fixé en 2030. 2030 fa yanzu 2020 muke ciki sai dan diza nan da shekara goma gaskiya sai ko wahala a gani na a yi attend no objective din nan mm. amma kamar yadda kuka ce menene wani bi babban matsalolin da ake samu sai ku partenaire din nan wanda suke mutane masu hannu da shunin nan da suke kama ma gwamnati mm. wani bi anon su ne suke yi Mm. sai su yi anon su ce za su zubo kuɗi kaza za a samu a cima gurin nan mm. amma sai gani tahiya na tahiya wannan abun da suka ce za su badawa dan ya kama a cima gurin nan ka gani abun nan bai zauwa a mm. lokaci kenan inda vraiment objective ne yanda suka ce ana son education ta zamna kowa yaro duk yaro ya samu a bashi yaro a ce ya samu ya je ekol ya samu ilimin da ya kamata madalla kowane yaro a ce ya ta ekol ya samu ilimin da ya kamata sai mutane wanda masu hannu da shune suke kama ma gwamnati gaskiya su yi kokari kenan eh, engagement nan da suka doka kenan su rika cika shi amma ba haka nan ba gaskiya abun nan ba zai zo ba kawai eh, zance ne dai kawai ni a ganina inda mhm. wannan alƙawari da suka ɗauka. Kai da kace kenan an kama jiki mushe. A ah, sai an kama jiki sosai saboda abu ne ba na wasa bane ba gaskiya. Mm, to Ibrahim ka ji mushenka. <laughs> Wannan apparemment même s'ils veulent euh, le faire vraiment c'est pas c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est vraiment un projet qui ne peut pas atteindre son objectif, madame. Mm. Parce que avec euh, la façon dont on manipule, dont on pilote euh, ce genre de projet dont, on fait les choses. Vraiment, c'est c'est pas évident d'atteindre. Tu es pessimiste. Voilà, parce oh que les gens à qui on on, donne ce genre de travail, vraiment, ce ne sont pas peut-être des gens qui peuvent aller jusqu'au bout. Mais avant. avoir des enseignants qualifiés ok ke gare ki a fara da wannan an sanya ka da da metar da hausa da hausa da hausa to a samu an sanyan na kwarai tunda mhm. an sanyan sauran na yanzu kawai dan kawai su zaman ban dan kasu zaman banza ne kawai suke zuwa suna karantar da yara ba wai iyawa ne suka yi ba a samu dai an sanyan kwararri na gaske kenan ke gare ki wannan kamata fara kun dan a mata <laughs> Eh, tout d'abord je m'appelle Suley Moussa. Suley Moussa oui. Qu'est-ce que tu vas dire sur ça eh, Effectivement, à propos de ce qu'elle a dit, bon, pour le moment, c'est la sécurité d'abord, puisque s'il y a de l'insécurité, autant que les professeurs soient absents. Parce que si les professeurs sont là, il y a l'insécurité, personne ne sera là pour étudier. Ouais. D'abord, c'est la sécurité qui doit intervenir. Donc, garantir la sécurité. Oui ne pas attendre les 10 ans, mais le conseil que moi je donne, c'est de prendre les précautions dès maintenant. Là, là comme je vous l'avais dit au début, nous allons accueillir cœur Olivier et la chronique. On applaudit pour Olivier Mitali. Merci beaucoup, Ravi. Merci à vous. Merci, Kwara Canon. Merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Ce soir, je vais poser une question à nous tous ici. Et surtout, à nos invités, si vous pouvez également réagir, chers invités. Les invités, Olivier a une question pour vous. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la place des femmes dans les entreprises au Niger Les lois favorisant la femme sont-elles adéquates Que faire pour le droit des jeunes filles ici au Niger Des réponses Oui. Comment Je pense que pour que l'égalité entre bon, je ne parle pas de l'égalité entre hommes et femmes. Qu'on mais Je parle, voilà, je parle qu'on ait les mêmes chances et les mêmes droits dans le milieu professionnel. Si un homme peut être aujourd'hui député, pourquoi pas une femme Nous devons être au même au même pied d'égalité que les hommes dans le milieu professionnel. Et pour cela, il faut que ses parents puissent donner la chance à ses filles d'aller à l'école. Super. Vous allez ajouter quelque chose Super. Alors, retour à la chronique, les femmes. L'entreprise et le droit 2020, le poids des lois sur les perspectives économiques des femmes. C'est le titre d'un blog publié le 14 janvier par le groupe de la Banque mondiale. Après lecture, voici quelques contenus de cet article que je partage avec vous, chers amis jeunes. D'abord, les histoires sont diverses. L'article révèle que une femme qui est à l'hôpital sur le point d'accoucher, elle reçoit un appel de son employeur qui lui notifie son renvoi car sa grossesse est considérée comme une faute grave. Une secrétaire est congédiée après avoir confié à ses collègues qu'elle était harcelée sexuellement par son chef. Ça, c'est les histoires des femmes qui souffrent matin, midi et soir dans nos sociétés. Pas, pas au Niger, mais la réalité un peu partout. Selon l'édition 2020 du rapport Les femmes, l'entreprise et le droit, publié le 14 janvier, les femmes ne jouissent encore que des trois quarts des droits reconnus aux hommes. Et si le problème en est ainsi, une responsabilité incombe à vous, amis jeunes qui nous écoutez ce soir. Si vous êtes jeune fille, allez à l'école, étudiez, connaissez vos droits et, bien évidemment, défendez-les. Dans ce rapport, il ressort qu'en Afrique, les pays ont actualisé des tests de loi datant des années 1950 et 1960. Et pour les pays sortant d'un conflit, de nouveaux codes de travail ont été adoptés. Les lois ont un impact sur l'inclusion, et même l'émergence économique des femmes. Cependant, ce qu'il faut mentionner, c'est que ici, au Niger, plusieurs actions ont été menées au niveau politique pour que la femme ait une place honorable. La loi sur le quota est un exemple précis. Alors, élaborer les tests de loi est une volonté des pouvoirs publics. Mais les faire respecter doit être une lutte acharnée. À noter que ce rapport souligne qu'aucun pays ne peut déployer tout son potentiel sans la participation pleine et égale des femmes et des hommes. L'égalité des sexes n'est pas seulement une cause juste, mais aussi un facteur de croissance économique et de développement. Merci. Applaudissez pour Olivier. C'est nécessaire qu'on contribue tous euh, au développement de notre pays, qu'on soit femme ou homme, euh, jeune fille, jeune garçon.

kamar an suka ce wa'annan matasan ya kamata a ce wannan abun ba wai abun shekara goma ba ne ba harkan odede ba ne ya huce odede tun yanzu ya kamata a kama a kama jiki a samu an da aka yi aka wa'annan matasan aka ba su incin su na zuwa lakol su samu stay equal wannan kankanan yaran a kama musu a kama ma uwayen su don samu stay equal suka ce l'état doit mettre tous les moyens toutes les dispositions pour que ces enfants puissent aller à l'école. Et c'est ça la solution. On n'attend pas 2030. On commence dès maintenant. <laughs> c'est ça. Ok, merci à vous. Donc, Voilà, on s'applaudit, on s'applaudit, on s'applaudit wannan shirin namu yana ƙayatar da ku kuna iya aiko muna tambayoyinku a bisa kan lambar ta WhatsApp 806854 sai gobe kun ƙara haɗuwa da abokin aiki na don da shi kuma zai yi hira bisa kan éducation de la jeune fille. Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'il faut faire Comment faire bouger les choses Merci beaucoup. À bientôt ce Esquaracano. Bye bye. Bye bye bye bye. bye. ouais.